forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio forum du forum du du 18h passé de 15 minutes en Niamey, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou, qui réunit des journalistes pour analyser les principaux sujets de l'actualité. Ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est la fête de Tabaski et la situation d'après-fête à Niamey. En seconde position, la journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée le 19 août de chaque année. L'actualité, c'est aussi cette pétition lancée contre la redéfinition des limites de la réserve naturelle de termites et de Tintouma. Pour analyser ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Hassan Boukar de la radio alternative. Hassan Boukar, bonsoir. Bonsoir. Roufaï Dandoua, journaliste sportif. Roufaï Dandoua, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Bienvenue à vous tous dans ce forum de la presse de ce vendredi que nous ouvrons par la fête de Tabaski de dimanche. Pour la grillade, à cette occasion à Niamey, le charbon minéral a semble-t-il été utilisé car plus, plus économique et moins dangereux pour l'environnement, euh, ce qui du coup aide à préserver le bois. Écoutons à ce sujet les chiffres que va donner le directeur général de la société qui commercialise euh, ce type de charbon, euh, qui commercialise de, ce type de charbon euh, sur la quantité vendue à Niamey. On l'écoute. Avant l'opération, on avait une disponibilité au niveau de la ville de Niamey de 6847 sacs de 40 kilos. La totalité a été vendue, sauf 745 sacs qu'on a gardés pour nos gros clients, parce qu'à la fin, il faudrait aussi qu'on continue à les livrer. À l'intérieur du pays également, euh, Maradi, Zender, euh, les gens ont utilisé le charbon minéral. On n'a pas les chiffres pour l'instant de ce que les distributeurs ont eu à faire comme vente. Le jour de la fête, j'ai essayé de faire un tour dans la ville de Niamey. Il y a des endroits où je trouve les utilisateurs avec la procédure, mais ils l'outrepassent pour chercher à faire un autre mode d'allumage. Par exemple, j'ai trouvé quelqu'un qui a amené son ventilateur sur billet et c'est avec ça qu'il voulait activer la combustion, alors que on n'a nécessairement pas besoin de ça. Ça me trompait à plus de 80% maintenant, les gens savent utiliser le charbon minéral, ce qui est très très très encourageant. Hassan Boukar, votre commentaire après avoir écouté le patron de cette société, mais aussi ce, qui, ce, qui vous a, ce que vous avez pu observer pendant cette grillade. Merci beaucoup, Mokta. Merci aux auditeurs. Je pense que euh, au niveau de la capitale, quand même, y a, on peut confirmer ce qu'a dit le, responsable de la vente du charbon minéral. Je pense que de plus en plus les gens s'intéressent et une des raisons, je pense que les gens le trouvent plus économique c'est-à-dire euh, là où vous aurez pu mettre euh, peut-être 5000 ou plus euh, en bois. Je pense qu'avec le charbon, vous mettez moins d'argent pour le faire. Bon. L'autre chose intéressante, c'est la protection de l'environnement. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui utilisent le charbon le font dans le souci de protéger l'environnement, mais là, je pense qu'il est avant tout financier. Maintenant, la fête, c'est un jour. je pense que ce qui serait intéressant, c'est de continuer à sensibiliser les gens pour qu'ils puissent euh, toujours utiliser ce, charbon-là. Il faut assurer la disponibilité. Pas de spéculation sur le prix, parce que si on fait de la spéculation et si ce n'est pas disponible, les gens vont retourner à leurs anciens amours, ils vont continuer à utiliser le bois. Donc, à mon avis, aujourd'hui, les ONG, l'État doivent euh, continuer à sensibiliser les, gens. Et là, les chiffres qu'ils donnent montrent quand même qu'il y a un intérêt des, consommateurs, de la population. Je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de continuer à sensibiliser les gens. Il ne faut pas s'arrêter en un jour de Oui, surtout que euh, beaucoup font la confusion entre le charbon minéral et le charbon du bois. Oui, je pense qu'il faut expliquer aux gens. là, quand ils parlent de venti, des gens qui essaient de l'allumer au venti et tout ça, ça montre que bon, tout le monde ne comprend pas. À mon avis, il faut vraiment euh, sensibiliser les gens afin qu'ils continuent à, l'utiliser. Moi, j'ai vu dans mon quartier des gens hein, qui ne l'ont pas utilisé avant, mais qui l'ont utilisé cette année. Et certains m'ont dit que je pense que prochainement, ils ne vont plus chercher le bois parce qu'ils trouvent que ça prend moins de temps pour la cuisson et c'est beaucoup plus économique, vous n'avez pas de fumée comme avec le bois et tout ça. Et puis c'est rapide. Hein. Voilà. Euh, donc apparemment pour les gens, c'est une très bonne option, mais en même temps, faut pas puisqu'il y a une bonne porte d'entrée maintenant, il faut donc euh, faire la sensibilisation. Normalement, euh, les 5-10 années à venir, peut-être que ça peut donner des résultats. Rufai Dandoua, quel est votre constat au sujet des moyens utilisés pour la grillade cette année Merci Mokhtar. Et moi, je pense que la meilleure solution, si c'est pour euh, lutter contre l'avancée du désert, c'est de ne pas faire. Comme moi, par exemple, moi, je ne grille pas mon mouton, <laughs> par exemple, parce que je crois que c'est une question culturelle. Et ce n'est pas partout au Niger. Il y, a déjà certaines régions, euh, dans certaines régions, on, ne grille pas. Justement, moi d'où je viens, euh, je n'ai jamais vu ça. Quand vous voyez des gens griller leurs moutons, ce sont des gens soit qui ont été FDS ou qui étaient restés un moment vers Niamey. Donc pour moi, la meilleure solution déjà, si c'est euh, juste pour lutter contre l'avancée du désert, c'est c'est de ne pas euh, griller. Mais vous entendez aussi des gens qui disent Ah, on a égorgé 79 euh, 000 moutons, 80 000 moutons. Mais c'est normal. Les moutons, par exemple, Dieu a dit Je vous ai créé, j'ai créé les animaux pour le besoin des, des êtres humains, pour que vous puissiez en manger ce sont des gens qui luttent pour la, euh, pour la protection des, animaux, tout comme les gens qui luttent pour l'avancée du, désert. Donc, on les comprend. Et comme l'a dit Abba, je ne pense pas que c'est pour ça que la plupart des gens ont utilisé cette année eh, le charbon, c'est juste parce que c'est économique. Et en plus, je pense que comme ça ne dégage pas beaucoup de, de fumée, ça, ça, ne brûle pas les gens, puisque quand vous voyez comment les gens travaillent avec euh, le bois et déjà, il fait extrêmement chaud. la chaleur frappe les gens qui sont tout autour. Je pense qu'avec du, du, charbon, il y a moins de ça. Et en ce sens, c'est intéressant. Mais moi, personnellement, je pense que griller déjà le, un mouton, c'est au-delà de l'environnement, c'est aussi une perte de, Perte de temps. Perte de temps, déjà, perte de. Euh, le mouton, il faut griller deux fois. Tu le grilles aujourd'hui, le lendemain encore. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, qui, qui, tournent autour de ça. Mais bon, comme je le disais, c'est une question culturelle. On ne peut pas empêcher aux gens de faire ce qu'ils ont vu. Mais espérons que les gens le fassent dans l'avenir et que, avec le temps, et qu'on arrête définitivement avec le bois. Mais dans tous les cas, comme l'a dit Abba, ce n'est pas pour, pour un jour, puisque qu'on le fasse ou pas, les gens vont utiliser le bois qu'on le fasse ou pas, on va couper les, arbres dans, euh, dans, la brousse et autres. Donc, je ne pense pas que c'est une question d'un jour. C'est une question, si on tente qu'on veut vraiment lutter <clears throat> pour ça, il faut que la lutte soit permanente à tout moment. Issa après la Tabaski, et comme d'habitude, ce sont d'importants déchets qu'on retrouve ça et là sur la voie publique. Comment expliquer ce comportement récurrent Merci, Mokhtar. Mais <laughs> la question de l'insalubrité, ce n'est pas seulement avec la fête, c'est dans le comportement du Niamé. Hein. Je parle parce que c'est Niamé que je suis et je vois comment les gens. Le Niamé, dans, dans son comportement, il est sale. Parce que c'est à Niamey que vous voyez sur le gouron quelqu'un dans son véhicule en train de manger peut-être de la viande ou bien des fruits et il descend le, euh, sa vitre pour euh, jeter sur le gouron Donc c'est pas étonnant de voir cela. Heureusement qu'il y a eu la pluie. Sinon, Niamey va se sentir grave. Si c'était en période de chaleur, voyez-vous l'odeur qui va se dégager c'est dans nos comportements. Par exemple, moi je pense que euh, aujourd'hui il y a euh, des efforts qui sont en train d'être fournis, mais il faut euh, continuer aussi à sensibiliser et à impliquer, à, mettre quelques grains de répression dans, dans cette dynamique pour rendre Niamey propre. Il faut que les gens arrivent à comprendre que ce n'est pas pour l'État que vous êtes en train de faire, mais c'est pour votre cadre de vie. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une des maladies qui, tue, qui tue plus, par exemple le paludisme. Il n'y a pas une maladie en Afrique qui tue plus que le paludisme. Quand vous faites un tour chaque aujourd'hui, même aujourd'hui même, dans les centres de santé, il faut faire un tour, voir le cas de personnes atteintes du paludisme. Et tout ça, qu'est-ce qu'il y a à la base C'est parce que nous avons des comportements qui favorisent le développement des larves des moustiques. Et en faisant quoi En jetant des ordures un peu partout surtout les ordres ménageurs. Quand vous voyez le lendemain de la fête, il y a des quartiers, des couloirs que vous ne pouvez même pas circuler. Des gens, ils ont fait, ils ont fait la grillade, ils ne sont même pas capables de déplacer les bois et les restants. Ils ont arrangé un peu les têtes et les pattes de, moutons. Ils ont laissé tout. Ils sont partis dans leur maison. C'est comme si leur devanture de maison, ça ne leur appartient pas. Mais qui va faire le travail à votre place Non, il faut que nous ayons ce réflexe de citoyen pour dire que avant que quelqu'un vienne euh, rendre notre cadre de vie. Certains les déversent euh, dans les caniveaux. Mais oui, effectivement. Les cornes, les bouses et euh, autres. Là. Mais oui, c'est ça. C'est ce genre de comportement qu'il faut bannir. Parce qu'il faut que nous-mêmes, nous soyons responsables. La responsabilité, ce n'est pas le fait que de dire que non, le gouvernement n'a rien fait ou bien la mairie. Non. Toi, qu'est-ce que tu fais pour améliorer le cadre de vie Les gens sont au Niger, c'est ce que j'ai constaté ces derniers temps. Les gens aiment trop critiquer. Mais quand vous leur posez la question, toi, personnellement, ta personne, quelle a été ta contribution pour l'amélioration du, du cadre de vie tu vas voir, c'est en ce temps-là, la personne va essayer de ziguer un peu à gauche, à droite pour, ne, te trouver des explications qui ne tiennent pas la route. Maintenant, pour terminer, par rapport à ce que vous avez appelé Tabaski. Écolo. Écolo, moi j'aurais bien voulu que ça soit Tabaski pratique. Ça veut dire Non, parce que le charbon, ça, lui, ça, a toujours un impact. C'est le charbon minéral, hein. ce n'est pas le charbon du bois, c'est des fossiles. Donc ça a eu toujours un impact. Aujourd'hui, tous les pays sont en train de bannir l'utilisation à grande échelle du charbon pour euh, euh, l'énergie pour, thermique. Donc, ce n'est pas écolo. L'écolo, c'est ce que Rufai a dit, n'est pas grillé. C'est ça Tabaski écolo. Mais les gens sont allés au, charbon parce que c'est pratique. Au bout, au bout d'une heure de temps, votre mouton est grillé mais ce n'est pas parce que pour préserver, dans un souci de préserver l'environnement, non. <laughs> il, faut, il faut essayer de recadrer les choses parce que nous avons besoin de tout cela. Mais quand même, j'avoue que j'ai apprécié l'initiative des, euh, des, activistes, écolos. Ça fait la deuxième année qu'ils ont lancé cette campagne. Et moi, je pense que nous devrons les, appuyer. Par exemple, cette même Tabaski, pour finir, c'est que la grillade est en train de prendre euh, vraiment de l'ampleur au Niger. J'ai euh, euh, Zender dont parlait Rufai. Le jour de la fête même, j'ai discuté avec quelqu'un qui est là-bas, qui vit là-bas. Il m'a dit que non, cette année, c'est que ça a été bizarre. Il a constaté un grand nombre de gens qui ont grillé leur mouton. Donc ça commence. Et lui, son inquiétude, il dit que nous sommes dans une région où vraiment euh, les ressources naturelles, nous devrons les protéger. Parce que un peu plus au mhm. nord, il mhm. n'y a rien. Donc, euh, il faut essayer d'intensifier. Il ne faut pas que les gens se restent seulement pour laisser euh, ce travail aux activités non Nous devons mettre vraiment la main à la Ça doit être un combat quotidien de, tous les Nigériens. Hassan Boukar, le marché des pots se porte très mal, semble-t-il, car il n'y a pas d'acheteurs comme euh, par le passé le Niger ne dispose pas d'usines pour traiter ces pots issus du dépêchage des animaux. Quelle alternative, euh, car euh, c'est tout, de même un secteur pourvoyeur de richesses Bon, c'est peut-être difficile de juger en une journée. Hein. C'est vrai que la Tabaski, c'est un jour privilégié où on abat beaucoup de moutons. Et donc, il y a une grande quantité de peau, mais c'est difficile de juger. Mais je pense que si on veut faire toute une politique dans ce domaine-là, euh, on a quand même des références historiques. Hein. Quand on parle de malayaro quand on parle de tanneries et tout ça dans ce pays, c'est quand même des choses qu'on a essayées et qui à un moment ont montré que ça marche. Nous sommes peut-être un des rares pays d'élevage où la filière peau n'est pas développée. Mhm, mhm. Sur le papier, nous avons un avantage comparatif par rapport à la plupart des pays, en tout cas dans le domaine de l'élevage, mais nous sommes le pays qui a abandonné ce domaine-là et nous ne sommes pas capables de, de, le développer. C'est bien dommage. Je pense que par la tabaski, ceux qui l'achètent, ce sont ceux qui alimentent les tanneries du Nigeria. Euh, il y a beaucoup d'acheteurs qui viennent du Nigeria. Peut-être que chez eux, ça ne marche pas, mais la solution, à mon avis, c'est que le Nigeria puisse être capable déjà de, de transformer dans les pays maghrébins, au Maroc, en Tunisie, là où les gens ont développé ce secteur aujourd'hui, ils sont devenus une référence de continent. Donc, avoir la matière première, euh, bon, pour l'uranium, on dit on n'est pas capable, mais la <laughs> peau, quand même, on peut, <laughs> travailler. Donc, je me dis, c'est une grosse perte pour ces pays et c'est bien dommage. comment ça s'appelle La comparaison est très importante qu'a faite Abba entre l'uranium. Si on ne peut pas et, déjà travailler la peau, c'est qu'on ne peut pas. Ça veut qu'on n'a pas de. qu'on ne peut pas utiliser <laughs> l'uranium, c'est normal. Mais c'est normal hein, et, ça ne, ça ne, ça ne s'achète pas, puisque je me rappelle, avant, ça coûtait jusqu'à 3000 francs le jour de la tabaski. Maintenant, c'est à 300 francs, même à 300 francs il faut, il faut négocier. <laughs> il, paraît, vous, voyez, non mais, mais, moi, ce sur quoi je veux parler, c'est sur euh, des histoires de, déchets qu'il y a dans la ville. C'est vraiment de, de, de, de l'indiscipline, je pense. Euh, il faut appeler les choses par leur nom. C'est l'indiscipline de, de la population qui pense que tout doit se faire par l'État ou qui pense que lorsque je ne suis pas au pouvoir, il faut que je laisse l'autre faire parce qu'il faut qu'on se rende compte que ça ne marche pas. Non, il faut d'abord, comme l'a dit Issa, et ton cadre de vie, il faut que tu le que tu l'améliores, que tu le rendes fluide pour que tu vives bien à toi, ta famille et ton entourage. La journée mondiale de l'aide humanitaire est célébrée chaque année le 19 août une occasion de rappeler les besoins d'aide humanitaire et d'importance et l'importance de la coopération internationale. Issa sur cette journée mondiale qui sera célébrée lundi, avez-vous des informations si euh, les nécessités espèrent cette aide dont les premières euh, activités ont démarré ce matin dans la commune de Simiri, région de Tilabiri Docteur, moi je fais partie des gens qui sont contre l'aide humanitaire. Pourquoi parce que c'est une grosse mafia qui s'entoure autour de, ça, de, cette pratique. On attend, on dit que non, c'est de l'humanisme. On vient aider des gens qui sont dans des difficultés. On vient leur apporter le sourire. Alors c'est faux. C'est faux. Il y a le cas de Difa qui est là. L'argent qu'on dit qu'on a injecté à Difa peut faire construire à tout ce qu'il y a comme maison là-bas, peut les transformer en maison dure, en ciment matériaux définitifs. Mais, c'est une mafia, c'est les gens qui gèrent, qui utilisent ces, gens de. C'est inhumain. Il y, a des catastrophes naturelles qui frappent euh, des communautés. Mais Mokhtar, c'est vrai, il y a ça, il y a les réponses. il y a, par exemple, quand vous prenez pour le cas des catastrophes naturelles, il y a le cadre de Sandé qui est là. Il y a plusieurs euh, outils pour comment, et quand ça vient, parce que c'est quoi aujourd'hui on est en train de cultiver Il y a aussi des populations déplacées, des réfugiés. par exemple, pour le cas des catastrophes naturelles, c'est la résilience qu'on est en train de cultiver euh, chez les, les communautés. Par exemple, quand ça vous frappe cette année, que vous soyez à mesure de vous préparer pour les prochains cas. Maintenant, pour ceux qui viennent de, l'action humaine, comme des guerres et consorts, moi, je ne suis pas d'avis à ce qu'on on utilise cela pour arriver à leur propre fin. Quand vous voyez ceux qui gèrent le plus, de la manière et les sommes qu'ils disent qu'ils ont injectées, il faut faire un tour. Mais c'est déplorable ce que les gens sont en train de faire. Ils sont en train de, si, excusez-moi du mot, de misérabiliser des gens. C'est vous, vous voulez, dire que ça rend fainéant ça, mais Non, mais c'est même pas fainéant. Ça vous rend misérable. Parce qu'on ne vous donne pas la capacité de développer votre propre capacité. Vous voulez dire qu'on ne peut pas se développer à, à, travers euh, les euh, aides L'aide humanitaire aucun pays ne s'est développé avec l'aide humanitaire. Vous avez, quand vous prenez les camps, aujourd'hui des camps qui sont, par exemple, quand vous prenez en Mogadiscio, il y a des camps. Aujourd'hui, vous prenez le cas de Darfour, prenez le cas du Sud-Soudan. Ce pays, malgré sa richesse, ce pays ne peut pas se développer dans ces conditions. Parce que ce pays dépend à plus de 50% de l'aide humanitaire. Chaque fois, c'est des, au niveau des Nations Unies, les gens viennent faire des plaidoirs pour dire OK, nous avons tel camp qui, a besoin de ça, nous avons tel camp. C'est un business qui est entretenu par des lobbyistes qui s'arrangent avec la complicité de certains industriels auprès de qui parfois on dit que non, ils ont donné gratuitement. Mais gratuitement, comment des gens qui disent qu'ils ont donné gratuitement chaque année, euh, on constate que l'année prochaine, quand on fait Forbes fait leur calcul, les gens augmentent encore de fortune. Alors, il y a vraiment, moi, ce que je, je pense par rapport à l'aide humanitaire, il faut que nos pays arrêtent vraiment de tendre la main à chaque fois, que nous constituions notre propre stock. Par exemple, au Niger, moi, je n'ai pas vraiment très connu cette époque où dans tous les villages, il y a des silos où on met des grains. Mais que quand, avec, je commençais à poser des questions, à quoi servent ça Est-ce que c'est des châteaux d'eau Les vieux me disent non. Avant, on mettait des graines pour se préparer pour des périodes de soudure ou bien en cas de catastrophe pour nous prendre en charge. Il faut que nous, nous soyons en mesure aujourd'hui de, de prendre en charge notre destin. Nous ne pouvons pas continuer à tendre la main. Il y a quelque chose, aujourd'hui on parle de vie digne, mais où est la dignité dedans Si nous, nous ne pouvons pas, nos dirigeants ne peuvent pas ensemble mettre en œuvre des politiques qui peuvent nous permettre aujourd'hui de nous prendre en charge. Parce que certes, c'est vrai, personne ne peut s'autosuffire. Mais quand même, il ne faut pas qu'à chaque instant, même à 1%, mais vous ne pouvez pas vous prendre en charge. Mais quand même, c'est malheureux. Il faut arrêter cela. Il faut que nous soyons conscients de notre vie, que notre dignité, ça commence par notre responsabilité à notre niveau même, à vouloir vraiment être capable de faire face à certains besoins qui sont vraiment peut-être inattendus ou bien qui viennent d'un seul coup. Rufai Dandoua, chaque année, avec ou sans catastrophe, euh, de nombreuses personnes souffrent du manque du minimum pour se nourrir. À votre avis, euh, ce sont les ressources qui manquent aux décideurs et aux humanitaires ou bien ce sont euh, les actions qui sont mal orientées ou menées Déjà, je pense que ce qu'Issa de, ce, disait tout à l'heure, la belle époque dont il parlait, c'est une époque qui ne reviendra pas parce que déjà à l'époque, c'était le Niger, il y avait combien de personnes déjà il y avait, je crois, 2 millions de personnes max, au grand maximum. C'était autant de c'était autant de comtés, je crois. Aujourd'hui, nous sommes, nous, nous, 22, 23 millions d'habitants. C'est difficile. Et en plus, le problème, c'est quoi C'est que eh, les méthodes encore pour euh, euh, cultiver, les méthodes agricoles sont toujours archaïques. Voilà, sont toujours archaïques au Niger. Quand vous voyez des pays comme les États-Unis ou la France, où eh, à peine 2% de la population eh, pratique l'agriculture, et ils arrivent à, à nourrir. L'agriculture extensive. C'est parce que ça a été modernisé. Nous, jusqu'à. Euh, vous prenez de 1900 à aujourd'hui, c'est toujours les mêmes méthodes. Et pire encore, c'est toujours les pauvres qui vont au champ. Or, quand vous, quand vous prenez ces euh, ce de pays qui arrivent à s'autosuffire sur le plan alimentaire et à exporter pour euh, donner de l'aide humanitaire, c'est des pays ou quand vous partez dans, dans, les champs, c'est des ingénieurs qui sont là, c'est des gens qui ont de l'argent, qui peuvent eh, s'acheter les champs et qui peuvent eh, les exploiter. Ce n'est pas le cas au Niger. Aujourd'hui, quand vous prenez la plupart des gens qui ont des champs, c'est des champs qu'ils ont hérité de leurs grands-parents, de leurs parents. Maintenant, ils les exploitent. Déjà, comment on les exploite, c'est difficile. Euh, la, plupart de, des champs sont déjà lessivés. Voilà, c'est déjà difficile. Maintenant, eh, quand la pluie n'est pas là, quand la pluie est, rare, automatiquement, inconsciemment, c'est la crise. Il y aura peu de, production, Conséquence, il n'y aura pas beaucoup de choses sur le marché et les gens vont avoir faim. Et maintenant, avec les, les, histoires de Boko Haram, avec les histoires eh, qui sont venues nous, nous, nous on parle de, de l'aide eh, humanitaire. C'est vrai, eh, l'objectif de l'aide humanitaire, ce n'est pas de développer un pays parce que ce n'est pas au pays qu'on donne, c'est aux gens qui ont besoin qu'on donne. Mais il faut savoir les donner. C'est vrai que lorsqu'on les donne, ce n'est pas pour vous, vous garder constamment dans cette précarité pour que vous puissiez toujours tendre la main. Non, c'est pour qu'au bout d'un moment, vous puissiez vous gérer et récupérer et aller maintenant comme les autres personnes. Parce que même en islam, il n'est pas dit euh, de donner chaque fois, de venir chaque fois tendre la main et, recevoir quelque chose. Le problème qui se pose, c'est que, comme l'a dit Issa, c'est c'est comme l'histoire de, de, migration, c'est un vaste réseau de mafia qui s'est constitué. Et maintenant, quand on regardez, nous aussi au Niger, on a un, euh, un ministère de, de, humanitaire. action humanitaire chargé de catastrophes naturelles. Mm. Il y a le, la primature, d'où les grandes décisions sont ici que tu te demandes à quoi sert le ministère, parce que quelque part, il ne sert pratiquement à rien. Tout se décide au, à la, à Quelque part, c'est parce qu'il y, y, y a, des choses à gagner. Et quand vous voyez toujours que vous venez cette année, l'année prochaine, vous allez revoir les mêmes personnes, les mêmes familles qui sont là. C'est vrai que, comme l'a dit Issa, on ne les a pas mirabilisés, mais on les a encore précarisés et dans cette situation et ils sont là toujours à tendre la main alors que le but c'est qu'ils soient et qu'il arrive à, bien mener ce temps de, de, difficultés et maintenant qu'il repart sur le terrain pour aller chercher et de quoi. Aussi longtemps qu'on va continuer comme ça, c'est normal qu'il y ait la, euh, la pauvreté, c'est normal qu'il y ait la précarité et avec le temps, vous devenez paresseux, vous devenez fainéant et vous ne pouvez que tendre la main. Hassan Boukar, cette commémoration intervient alors que euh, les humanitaires ont carrément fermé leurs bureaux euh, dans certaines zones du Niger ou bien euh, ces interventions sont devenues sporadiques dans d'autres zones du Niger. quelles sont ou seront les conséquences sur les populations cibles oui, euh, il y, a, des zones, par exemple dans la zone de Tilaberi, je crois, certaines ONG voilà, ont, cessé de travailler aux côtés des personnes, des euh, réfugiés maliens et tout Dans le département du Maïné MSF euh, qui a fermé. Sans frontières. c'est vrai que les, humanités travaillent sur plusieurs domaines. Au-delà du côté alimentaire, ils interviennent sur des domaines comme la santé. Mhm. Ils interviennent pour aider des enfants dans des zones de conflit, etc. Il y a plusieurs domaines dans lesquels ils euh, euh, interviennent. Mais j'entends bien le discours de Issa. Hein. Euh, quand même, il ne faut pas qu'on l'oublie, pendant la 5e République, l'État du Niger a eu aussi cette position-là. Rappelez-vous, sous le président Tanja, le gouvernement avait considéré que beaucoup de ressources étaient mobilisées dans le cadre de la famine de 2005, mais que le gouvernement lui-même euh, n'arrivaient pas à avoir ces, ressources-là. Et à l'époque, euh, l'institution visée, ce n'était pas simplement une ONG, c'était le Programme alimentaire mondial, une institution des Nations Unies. Donc, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, c'est vrai, un problème entre euh, la main qui donne et la main qui reçoit. C'est-à-dire que ces puissantes ONG qui mobilisent beaucoup de ressources au nom de l'humanitaire qui viennent dans les pays et qui gèrent parfois sans obligation de rendre compte au pays parfois en ignorant les réalités locales et qui essaient de, travailler. Maintenant, les humanitaires ont, un rôle important. Je pense qu'il faut reconnaître qu'ils jouent un rôle important aussi. Hein. Mais si les États n'étaient pas en faillite, il n'y aurait pas d'humanitaire. C'est que nos États sont en faillite. donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de travaux à faire euh, sur ce plan. Mais, mais, évidemment, vous avez, vous avez des pays qui refusent l'aide humanitaire ils sont en crise, il y, a, des tremblements de terre. Je me rappelle l'année, l'Iran avait refusé l'aide des gens. Ça dit dire qu'il y a des institutions. C'est vrai, c'est que les choses qui vous surprennent, c'est parfois une catastrophe naturelle. Euh, ça demande à un moment très limité énormément de moyens et donc ça demande une capacité de réaction que certains États n'ont pas. Alors dans nos pays, le problème, c'est la capacité de nos États à répondre à ces. Regardez quand il y a eu la guerre en Libye, lorsque des, euh, milliers de migrants sont revenus, euh, Rufai parler des migrants de la Libye, mais on n'était pas capable de faire face à ça. La région des Andes avait accueilli environ 60 000 migrants revenus de la Libye. Alors, euh, l'État n'était pas capable de répondre. Et c'est en ce moment qu'interviennent les humanitaires. C'est-à-dire, il essaie de combler un trou qui est laissé par les États parce que les États ne sont pas capables de réagir à, ces questions-là. Et donc, cette année, bon, je pense que cette année, le, euh, le thème porte surtout sur le rôle des femmes sur le terrain, le, rôle des femmes qui s'engagent dans ce volet-là. Mais il y a beaucoup de défis, à mon avis. Ces humanitaires-là ont certes leur place, hein. évidemment, là où l'État n'est pas capable d'agir, il apporte parfois un soulagement. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que c'est juste une réponse à quelque chose d'urgent. Hein. Ce n'est pas pour le développement. Normalement, le développement. Ça ne doit pas être éternel. Ça ne doit pas être éternel. Mais, euh, je comprends bien la réaction de, de Issa. Il y a où euh, l'urgent devient éternel, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont là pour. Que, bon, ça devient éternel. Et, puis, bon, ça, devient extrêmement difficile. Mais à mon avis, euh, il faut reconnaître aux humanitaires le travail qu'ils font. C'est bien. Peut-être qu'ils doivent être euh, plus transparents. Euh, je pense qu'ils ont oublié de communiquer davantage. Ils doivent peut-être euh, travailler avec les structures. Pour prendre la région, le cas de la région de Difa, tout le monde sait qu'on a mobilisé énormément de ressources dans cette région. Regardez le nombre d'ONG qui se sont installées. Le jour où vont s'en aller, on sera presque au point zéro. Peut-être que ces ONG auront aidé des familles qui ont quitté les villages, des familles qui sont dans l'urgence, au moins à avoir le petit pain quotidien. Mais après, ils vont s'en aller. Il n'y a aucune infrastructure, aucune structure, aucune institution capable de continuer là où les ONG s'arrêtent. Est-ce que, par exemple, si les ONG avaient travaillé avec euh, des collectivités, avec euh, des institutions qui sont là, à les renforcer de façon à ce qu'il y ait une réelle résilience, peut-être qu'ils laisseraient des traces durables. Mais j'ai l'impression que euh, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de critiques sur le fait qu'il y a beaucoup de business au sein des ONG, c'est le fait que, bon, il y a énormément d'argent qui est mobilisé, parfois juste pour répondre à des questions d'urgence, et quelquefois, on ne voit pas les résultats. Alors, juste pour finir, Rufai a évoqué quelque chose d'extrêmement important. Par exemple, la question de l'existence de ce ministère des Affaires humanitaires et de la primatrice qui gère tout. Mais même à la primature, j'ai l'impression que parfois, c'est les barres de fonds qui gèrent l'État n'a pas le dernier mot. Mais ce ministère, lui, on l'a juste créé, je crois, parce que le titulaire du ministère a soutenu le président Issoufou. C'est juste pour ça qu'on a créé. Mais si vous créez et vous n'avez pas confiance à lui pour lui donner... Les ressources nécessaires. Oui, ce n'est pas, pas, utile. Et donc, normalement, normalement euh, si vous avez confiance, si ce ministère est utile, vous lui donnez des mois Et, là, et comme il l'a bien vu, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent. Je pense que ça doit être une, euh, euh, direction, au sein du ministère. Ça, pour, aurait pu être quelque chose comme ça. Juste une direction, mais maintenant, pour, de vue. Oui, pour récompenser les, amis politiques, on, crée toutes sortes de ministères. Et maintenant, on amène quelqu'un déjà qui n'a pas la pointe la pointe pour s'imposer et dire non, arrêtez, voilà, moi je suis ministre, il faut qu'on me donne les prérogatives. Non, mais il est là juste, le ministre, il a, tu tu as as ta, voiture, tu as tes indemnités, tu as ton salaire. Et voilà, il, est constamment sur le terrain. Oui, pour faire quoi euh, pour assister aux, aux <laughs> le, les attributions sont ailleurs. Oui, justement, justement. <laughs> Les limites des réserves naturelles de Tintouma et de termites dans le nord-est du Niger seront redéfinies. Des volontaires ont lancé une pétition pour que le pouvoir renonce à passer à l'acte afin de préserver cette importante réserve naturelle. Hassan Boukara, quelle lecture faites-vous sur euh, cette mesure de redéfinition, euh, puisque, euh, puis, ce que peut apporter la pétition qui semble-t-il accueillir des milliers de signatures en quelques jours seulement Moi, pour moi, quels que soit les résultats de cette pétition, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important dans des pays où il n'y a pas une tradition, une conscience environnementale poussée, dans des pays où ce n'est pas des choses qui sont, auxquelles le public est très sensible. Euh, faire une pétition, dire euh, que en voulant exploiter du pétrole, on est en train de menacer l'environnement, la faune, etc. À mon avis, c'est un débat qui n'est pas très courant sur le terrain public. Et donc, c'est bien que ce débat-là soit, soit posé. Imaginez que, que, ce soit, par exemple, une mosquée qu'on veut détruire pour faire passer quelque chose. Ça aurait peut-être mobilisé plus parce que les gens se sentiraient beaucoup plus proches d'une mosquée. Alors, euh, aujourd'hui, poser ce débat, c'est d'abord quelque chose qui est très osé et je pense que les gens ont eu vraiment raison de le poser. Ça va peut-être faire un précédent dans le débat public dans notre pays et c'est quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, c'est un débat qui n'est pas singulier, hein. c'est un débat qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, au Brésil, on pose justement la question dans l'Amazonie, où euh, pour le bois, pour l'exploitation des richesses, le gouvernement brésilien veut donner beaucoup plus d'espace euh, aux entreprises, aux multinationales. On le voit ailleurs où les populations se mobilisent pour défendre un terrain, on veut construire un aéroport, on veut exploiter, hein. etc. Alors, donc ça montre quelque part euh, que ce sujet-là, euh, à l'échelle mondiale, c'est un sujet d'actualité qui est particulièrement intéressant. Maintenant, quelle est la chance qu'on a à gagner face à un gouvernement euh, dans des pays où les ressources sont rares, dans des pays pauvres. Lorsque vous avez le pétrole, parfois on abandonne tout au profit du pétrole, mmh, mmh, mmh. comme si finalement le pétrole à lui-même, il peut régler tous les problèmes. Le Nigeria n'aurait pas eu de problème si c'était le cas. Mais euh, je pense que euh, le gouvernement, ça va être extrêmement difficile de le faire. Déjà, déjà, par rapport à la pétition, ils, ils étaient euh, hier à plus de 50 000 signatures. C'est pour ça que je dis, quels que soient les résultats, qu'il y ait 50 000 personnes qui acceptent de signer en disant attention, faisons attention à la faune, faisons attention aux espèces rares, faisons attention à l'environnement. Dans ce pays-là, dans ce Niger-là, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. Même si on n'arrive pas à faire plier le gouvernement, ça laisserait des traces. Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui dans, notre pays. Mais évidemment, euh, face à l'enjeu du pétrole, euh, sur lequel le gouvernement compte beaucoup, dès lors que l'uranium ne produit presque, euh, ne rapporte pas grand-chose aujourd'hui, le gouvernement compte beaucoup sur des ressources comme le pétrole pour renflouer ces caisses ça va être extrêmement difficile de les faire plier. Mais le fait qu'il y ait au moins un débat dans ce pays-là pour dire attention, c'est l'environnement, que le, même s'il y a du pétrole, on doit faire attention à ça, à mon avis, c'est un débat extrêmement important. Et qu'il y ait 50 000 signatures ou plus, quels que soient les résultats pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important et ça mérite euh, d'être essayé. Rufai Dandoua, quelles peuvent être les conséquences de ce projet pour la faune sauvage et même euh, le cheptel local je me rappelle, il y a une dizaine d'années, un ami avait fait un mémoire sur euh, la, le Tintimat. oui, oui. oui, je me rappelle, un ami. La réserve. Oui, Kader Il était parti là-bas pendant des jours. Il a fait un documentaire de, 13 minutes là qu'on fait à Et j'avoue que c'était incroyable, c'était tellement joli. Et, rien qu'à l'idée de savoir aujourd'hui que ça, ça va ou ça peut disparaître, je pense que c'est ça fait mal au cœur de voir tous tout, tous ces animaux, toutes ces espèces rares et disparaître. Euh, c'est vrai, face aussi, comme, comme l'a dit Abba, face à l'urgence face <laughs> et, aux enjeux de l'exploitation pétrolière. le ah, choix est, le, choix est, fait. Et, malheureusement aussi, et là où c'est extrêmement important ce qu'avait dit Abbas, c'est qu'on est dans un pays où, où, on est tous égoïstes. Quoi. Les gens ne, ne, pensent ne pense qu'à eux, chacun ne pense qu'à lui, il pense à ce qu'il peut avoir. Quoi. Voir 50 000 personnes déjà signer cette pétition pour un sujet que les gens ne maîtrisent pas, c'est déjà important. Aujourd'hui, quand vous voyez les gens se, lever, se soulever pour quelque chose que ça les concerne juste eux, c'est ça, c'est là, pour ça que je parle de l'égoïsme des gens. Et c'est là le, danger pour ce pays. Au-delà de cette forêt qui tend à disparaître, c'est tout ce qui nous entoure qui n'est pas pris en compte, qui n'est pas pris en considération par euh, l'ensemble de la population. À chaque fois que vous voyez, c'est comme quand on parle tout à l'heure de l'utilisation du charbon. Quand vous voyez les gens qui se lèvent pour, pour parler, c'est que quelque part, eux aussi, ils ont été financés quelque part. C'est juste pour ce temps-là, ils le font maintenant, et bouffent ce qu'on leur donne et, ça continue. Quand les gens qui vous voyez les gens qui parlent de, de code de la route, du port de casque, ainsi de suite, il y a toujours quelque chose, comme disait Kant, personne n'agit en impératif et, catégorique. C'est ça, c'est ça malheureusement le drame. C'est ça aussi quand on revient sur l'aide humanitaire, il manque de solidarité euh, au sein de la population nigérienne. Quand vous voyez dans d'autres pays, lorsque et vos voisins sont dans des difficultés, c'est la solidarité collective proche des gens qui, qui, qui, se manifestent. Vous voyez des gens qui vont amener eh, des draps, des gens qui vont amener des chaussures, des gens qui vont... C'est ça, malheureusement, ce qui manque ici, ici au Niger. Et je pense qu'on se dit musulman et c'est nous qui devons eh, faire fonctionner tout cela. Malheureusement, nous ne le faisons pas. C'est sur ce plan qu'il faut faire un travail important. Aujourd'hui, pour revenir à ce sujet, je pense que eh, j'abonde dans le même sens que bah, je ne pense pas eh, qu'on aura raison sur l'État puisque l'État pense qu'avec le pétrole, aujourd'hui, c'est des ressources mais, il faut aussi penser au cheptel local et la faune sauvage. Oui, mais, mais je, crois, je, pense qu'on dit presque la même chose. On, sait qu'il y a le cheptel, on sait qu'il y a tout ça, mais on pense que le pétrole est plus important. Et lorsqu'on pense que le pétrole est plus important, le choix est déjà fait. On utilise le pétrole au détriment de tout cela. Conséquence, on va perdre tout ce qu'on avait. Malheureusement, les même, il n'y a pas beaucoup de touristes qui vont, qui, vont là-bas. Est-ce qu'il y a des engagements qui doivent être euh, qu'on doit prendre à ce niveau Mais même si on prend des engagements, ça va changer quoi tout ce qu'on peut faire, par exemple, c'est comme on a, par exemple, déplacé les girafes euh, ici de et un moment pour les amener vers, vers, Maradi pour essayer s'ils peuvent résister ou pas. On essaie quelque part. Peut-être c'est la seule chose qu'on va faire. Sinon, vous allez voir, comme on, voit dans d'autres pays, à la télévision, des, animaux qui sont euh, qui périssent sous, sous, l'effet de, de, la sécheresse ou des, euh, des éléments nocifs qui, qui leur sont Malheureusement, c'est à cela qu'on va assister et c'est le Niger qui va perdre. Mais je pense que le mieux serait, au-delà de cette pétition, de voir comment on peut transférer une partie, une partie quelque part pour les, les préserver aussi. Isamadougou, la pétition lancée le 7 août a déjà euh, recueilli plus de 40 000 euh, signatures. Euh, quel impact espérer quand on sait que même les sorties dans la rue ne fait pas fléchir le, pouvoir actuel Merci Mokhtar. D'abord, je tiens à féliciter les éco-activistes nigériens parce que moi, personnellement, j'étais associé à ce projet. Euh, de pétition et de, de prise de conscience, comme on appelle, faciliter la compréhension des Nigériens par rapport à cette décision. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre d'abord C'est que c'est le gouvernement qui est pris à son propre jeu. Vous avez des accords depuis 2008. Moi, quand j'avais fouillé, j'étais parti discuter avec des gens de, la CNPC. Que nous ont, ils m'ont dit, nous, on avait un accord depuis 2008 avec l'État du Niger. Alors, mais, vous vous rappelez non, non, pas tout non, non, non, attendez, Mokhtar, j'arrive. C'est petit à petit. Vous allez comprendre que ce gouvernement-là n'est pas sérieux dans ce qu'il fait le plus souvent. En 2018, il ne faut pas que la conscience collective oublie rapidement. Ce n'est pas l'ONG Noé qui est venue à qui on ne sait pas par quel lobbying ils ont passé pour, pour que cette réserve soit rétrocédée à cette ONG dont on ne sait même pas. C'est comme si au Niger, nous n'avons pas des agents de fonds capables de gérer cette cet espace. Ce n'est pas l'État du Niger qui a octroyé cette zone. La réserve. La réserve à une ONG dont on ne sait même pas c'est quoi vraiment les, les, les, les projets qu'ils nourrissent pour cette zone. mais l'État vient se rendre compte qu'avec maintenant la mise en exploitation des autres puits, que ah, ils, ils, ont, ils ont commis une bourde qu'il faut corriger. Parce qu'ils ont besoin de la Chine ils ont besoin de, des fonds qui, qui, seront issus de l'exploitation. Et surtout que maintenant, ils sont dans une dynamique d'exportation avec la construction des, des, pipelines, des de, pouvoir exporter. Donc, ils sont obligés. Mais ce que moi, j'apprécie d'abord, c'est que, au fait qu'on a cette conscience environnementale qui est en train de s'éveiller dans notre pays, que les gens commencent à se préoccuper des questions environnementales, de comprendre qu'aujourd'hui, la biodiversité, Vraiment, on doit la protéger pour notre cadre de vie. Que l'écosystème doit être préservé. Mais c'est l'État qui est toujours à la base de ça. Vous savez, c'est bien, tout le monde sait que cette partie, c'est parce que c'est une partie de la réserve. Moi, je pense que tout à l'heure, Rufa a émis une idée qui, est géniale. Mais pourquoi aujourd'hui avec la Chine Parce que c'est la CNPC qui va exploiter cela. Pourquoi ne pas trouver des accords maintenant, trouver des, moyens pour que cette réserve un peu d'autres, créer un cadre. Peut-être que c'est dans le pipeline. Non, non, non. Euh, écoutez, moi, ce que je voudrais qu'on euh, on comprenne par rapport à cette situation, c'est que j'ai compris que les Nigériens, les éco nigériens ont lancé cette pétition et c'est bien, vraiment, il faut les encourager. Mais c'est l'utilisation que fait la presse française par rapport à cette action. Par exemple, quand je vois Paris Match qui dit que le Niger dénonce la destruction de, de, de, euh, par la Chine, quoi, quoi, quoi, des trucs comme ça. C'est Est-ce que dans ce pays, on n'a pas dit que l'Iranium est en train de détruire l'environnement Qu'est-ce que la France a fait Mais aujourd'hui, il faut que les gens comprennent qu'il y a vraiment des enjeux qui, qu'on devrait se, euh, vraiment se préoccuper. Et moi, je pense qu'il faut signer la pétition, même si on n'a pas l'espoir que ça puisse changer quelque chose. Abba, rapidement, interrogé par un média étranger, le ministre nigérien de l'Environnement Al-Mustafa Garba a déclaré que la réserve n'a pas été abandonnée. Les limites ont juste été revues de manière à respecter cet engagement antérieur euh, de ne pas prendre des mesures particulières sur l'espace qui a été concédé en termes d'exploration. Euh, comment amener les Chinois à respecter ces engagements rapidement en 30 secondes Bon, c'est extrêmement difficile. <coughs> Il faut que l'État nigérien fasse un choix. Ou c'est le pétrole, ou c'est la faune et l'environnement. Or, je pense que son choix, c'est le pétrole. Donc, le ministre défend simplement la position de son gouvernement. Donc, moi, je ne crois pas à cette euh, langue de bois. Euh, déjà que les journalistes ne respectent rien, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, voilà nous, sommes, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités Hassan Bouka de la radio alternative, Rufai Dandoua, journaliste sportif, et Issa Madogo, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme du Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h pour suivre le programme Jeune euh, du Kalangou sur les radios partenaires. Il sera suivi du forum en Rosa et en Zarma. Merci, au revoir.